sous-bassement que de caser des clientèles politiques. Ce n'était pas pour sortir le Sénégal du sous-développement. Mm. Là le conseil économique social et environnemental un impact sur ce dundu mm. Mm. conseil économique social et environnemental ban impact là ci ce man sénégalais bi parce que impacté ou d'arrêter ci c'était juste pour caser des clientèles politiques Bassirou Diomaye Faye n'est pas élu pour caser des clientèles politiques le président Diomaye n'est pas élu pour euh, récompenser qui que ce soit. C'est pour récompenser le peuple. Mm. C'est pour récompenser le Sénégal. Mm. C'est pour li ñëpp bokk ñëpp jot ci. parce que euh, li tax ma am optimisme y a encore ngi koy souligner Moustapha léegi Leguine, coalition la effectivement coalition la mais coalition la ça ne veut pas pour autant dire que les coalition bi da am kenn ku ci def lenn lu wara mëna tax né nañ ma jox ndombal tank sangam lolu existé wu mm-hmm. Mm-hmm. amul kenn ku gën a def effort Baba Kaana ba kanam rot na. amul ku gën a def effort Idrissa Goudiaby. Hmm. Cheikh Coly Baye Cheikh Diop Famara Goudiaby ñooñu ñëpp ma lay wax dañoo dee. Mm-hmm. kan moo gën a consentir effort ki ci bàyyi ba kanam. Mm-hmm. ki ci bàyyi liberté mm-hmm. sori say njaboot pendant des mois. alors donc kon amul kenn ku war a mën a jóg ne joomaay defar naa la sàngam jox ma nàngam amu fi. et la meilleure illustration aussi c'est que Diomaye ne sera l'otage d'aucun lobby hmm. du lobby homme d'affaires du lobby coalition politique du lobby marabout du lobby dara il ne doit son salut qu'au peuple sénégalais et à la baraka de Ousmane tout à fait euh, logique de rupture vous pensez que Mounou abroger cette loi d'amnistie non, non, non. Euh, la loi d'amnésie, pour moi, ça n'a pas besoin d'abrogation, mais juste de modification. Hmm. Modification dans le sens de euh, les crimes euh, commettre entre 1er euh, février 2021 jusqu'au 25 mars 2024. beaucoup, bien sûr c'est juste une modification de la loi et d'ailleurs boo est en commission. C'est ce que euh, le ministre Aïssata avait dit mm. aux députés. Mm. les députés de PASTEF avaient opté pour, euh, comment ça s'appelle encore, de nous abstenir. Mm. Alors, nous ont abstenir parce que Ousmane Sonko, leader de ce parti-là, leur a dit que si la loi a un crime de sang, beaucoup de gens voter. Mm-hmm. Alors donc ça veut dire que euh, Ousmane Sonko n'était pas contre la loi d'Amnésie, mais le contenu de cette loi d'Amnésie qui emporte ñi nga donc la loi n'a pas besoin d'abrogation donc juste d'une modification mm. euh, wax ko assemblée nationale mën nañ euh, cette nouvelle assemblée peut modifier cette loi là que li nga xew ci ay bakkan yu rot wax donc on va surpasser ça mm. parce que amul benn procès buy permettre à ce que ñooñu ñu bakkan mm. mais nous situer au moins les responsabilités tout à fait après avoir situé les responsabilités mais nous, euh, nous, ñu et réconciliation parce que s'il n'y a pas vérité s'il n'y a pas justice il ne peut pas y avoir réconciliation effectivement ah, cette loi waaw nous mu ko waxee noonu la moom soo c'est domaine là. la. Mm-hmm. Euh, bu ñu ko mënee modifier parce que fi am na yu fi xew yoo xamante ne ëpp naa effacé noonu dem mm-hmm. euh, parce que pour man yu mel il faut que nous ñu tegaat ko stable bi nag ba ku nekk. ñu deug gi dal di feeñ mais bu ñu jógee rek ñu bëgg suul lepp dem après c'est un dangereux précédent bo xamantene ne ëllëg ku ñu doonaan njiitum réew mën nga def lu neex bo demee war dem génné sa ben loi d'amnistie voté ko après tu t'en vas tranquillement loolu moom dama yaakaar ne war nañ am na yoo xam ne war nañ war na see mën a dellu si waat tout à fait euh, on termine les gars il paraît que euh, la dame Adji Sarr euh, génn na si dëkk bi ah c'est faux. Euh, euh, hein? Cette information est fausse. Ah oui, les, les photos qui ont été prises. Euh, Amoul, Adji Sarr a ci Dakar Ndiaye bi ah, ah oui. Oui. Génnul, Adji ah. Sarr génnul kon Adji Sarr fenn. elle est là yi ñu naan mu ngi Suisse fu mu au ñu ne mu Canada mu ngi au dëkk bi. mu ngi Sénégal mu ngi Dakar. de sûr sûr. sûr Adji est là mais attends euh c'est quoi le problème finalement avec cette jeune demoiselle là lu ou quoi. ah lu porté plainte oui oui porte porté plainte. à la suite d'un complot ourdi voilà ce qui s'est passé c'est passé euh, alors loi d'amnistie Lolo loolu bokk euh, mm. le max qu'on avait condamné pour corruption de la jeunesse la condamnation est anéantie. Mm. alors le procès doit reprendre. Mm. loolu la

Ah <laughs> on se donne rendez-vous. parce que les li filles bi de vous def mais mais je suis là depuis. Euh, non Pa Pa Moussa day fay Pa Moussa day fay day day day fay Pa Moussa day fay am na am na heure yu manqué. Pa ñu ne nga wax sa micro bi. ah ci micro bi laay waxee kay. Pa Moussa day fay am na maa ko njëkk a kon man maa war a njëkk a jóg Pa Moussa yeeg dali. non non fii amul a jóg ah. non Moussa va comprendre réew mi daa soppeeku ne Diomaye dirigé le Fall. <laughs> léegi loolu woon ni na. léegi rendez-vous ko. demain, est-ce que nous offrons rendez-vous On le fait euh, le samedi Inch'Allah. rendez-vous samedi à 20h Inch'Allah. Mais, Oui, euh, pas Moussa. Euh, ci, discuter ah, oui. Je pense que euh, tu me permettras de rendre hommage à quelqu'un dont l'apport a été tellement décisif tension yi nga à la pacification de l'espace euh, politique je pense que ni euh, peut-être que son nom ne va rien dire aux Sénégalais mm. mais il a joué un rôle vraiment extraordinaire avec un professionnalisme exemplaire ba discrétion euh, bon salutaire à tout point de vue je peux nommer Ousmane Yara oh, Ousmane Yara peut-être que Souba. Euh, l'avenir dinañu wax ci li nga xamantene xewon na durant ces temps-là. Mm. mais euh, je veux le rendre un hommage vraiment mérité. Mm. Euh, c'est quelqu'un qui il a fait ça dans beaucoup de pays en Afrique. Mm-hmm. au Mali. Euh, Guinée euh, yeneen dëkk yu bari ci ay médiation ci bu dëkk tollee fii nii. Mhm. Euh, Sénégal mu joué ci un rôle vraiment très très très important donc permets-moi me remercier ko mënuma dugg ci détail nag ci lu mu def ak mhm. mais quand même son apport a été très décisif. pour la pacification de l'espace public sénégalais mais respect donc Ousmane Yara. Mhm. waaw léegi mën nga tëj jotaay ji wala nga xam naa ne tëj jotaay moom dafa yomb. <laughs> man de te ma dama sonn